Nó lẹ. có no tanke chamre kamo ke nongo banle momo sufel chade jerinyo có kom tekolo kombi si dokkolinu rewmi urna ñobañolam ko duñ Đừng có duñ ko nangu duñ ko nangu notange lorange la duñ Đừng có duñ ko nangu duñ ko nangu tey doomu réew la Ah, eh, nawlewu doomu Adama ak awala sama wareef ak sama moo di sama ma jëf sama ngoor ak sama jom benn picc mënul yëgle nawet dama ñëw di tibba doole fii te di yokk doole ji ndar mooy ndax maam ak maamaat askan wi exigence nécessité daf ñu xàllal yoon dañoo war en tout cas jàppaloog aska du Sénégal daal di dëgg calalaay lank ne kenn dootuñu takkal ay mbuumu jaam du ñu jaam dañuy fipp dama ne ku munul toppatoo ngunu ga daal noo yéenoo réew nañu abal ki fi nekk ki nga ko nguur gi ak li wër yëpp xam ngeen nu mu c'était le plus grand menteur de l'antiquité grecque trait Pyrrhus Pyrrhus c'était le plus grand tricheur au monde peut-on dissocier le mensonge de la tricherie Mané ne déedéet jot na nag war nañu fippu foqar ci nguur gi fi askan buy askan ba pare daal la cause est noble. La première cause c'est tout pour l'augmentation de l'électricité. Je pense que tous les citoyens devaient répondre à cet appel-là quand même, parce que c'est une affaire qui concerne tous les Sénégalais. Donc euh, il est de que tout le monde soit là. Moi personnellement, je suis jamais venu à une marche, mais cette fois j'ai jugé comme utile et important de me déplacer suis à, Dakar pour venir assister à cette lutte, parce que pour moi, c'est pas une affaire politique, mais c'est une affaire citoyenne. Donc euh, il faudrait que tous les citoyens

Ceci, ce n'est que la conséquence aujourd'hui d'une politique qui s'est perpétuée durant des années et des années. Parce que euh, nous, nous n'avons pas attendu aujourd'hui qu'ils augmentent les prix de l'électricité pour dire que nous ne voulons pas du FMI e de la Banque mondiale. Parce qu'aujourd'hui, encore, malgré tant d'années, nos États continuent à collaborer avec ces grandes institutions-là, qui n'ont pu euh, sortir aucun pays de la pauvreté. Au contraire, et, nous maintiennent dans un endettement cyclique et nous maintiennent dans une dépendance qui ne finit jamais. C'est pourquoi nous disons qu'il faut rompre avec ces institutions-là. Il faut aussi rompre les relations avec la France. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des, des États qui nous pillent économiquement. Donc tant que nous ne rompons pas, avec ces institutions-là, avec la France, tant que nos, dirigeants ne prendront pas leurs responsabilités pour rompre, bah, nous serons toujours aujourd'hui endettés et c'est le peuple malheureusement et les générations futures également qui devront payer pour cette dette-là. Nous disons que nous ne sommes pas là pour négocier aujourd'hui. Nous réclamons immédiatement la libération de nos frères dans les plus, brefs délais. Parce qu'aujourd'hui nous sommes devant euh, le rond-point de la RTS. Mais demain, ça pourrait être à nouveau le palais de la République. Et cette fois-ci, ce ne sera pas neuf personnes qui vont voir, mais ce sera aujourd'hui tous les gens que vous voyez, toutes cette mobilisation qui vont aller devant le palais pour réclamer la sortie de, de nos camarades.